Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu qui a pour thème blocage de l'importation des céréales de certains pays voisins vers le Niger. Quelle explication et quel impact sur la consommation locale Selon un constat fait sur le terrain, le mil, le maïs, le nibé et le riz importés sont les produits alimentaires les plus consommés au Niger et l'évolution des prix est variable selon les produits. Cependant, depuis euh, quelques semaines, les pays comme le Burkina Faso et le Bénin ont décidé donc d'interdire l'exportation de certains céréales tels que le mil, le sorgho et le maïs vers le Niger, ce qui a conduit à une hausse du prix de ces céréales dans le pays. Ainsi, selon le système d'information sur les marchés agricoles du Niger, le maïs est le plus concerné par cette chérité due par cette décision de nos voisins. Qu'est-ce qui explique cette interdiction d'exportation de céréales Quel impact pour les consommateurs nigériens Quelle alternative pour y faire face à ce problème Qu'est-ce qui explique cette décision prise par nos deux pays voisins c'est à ces principales questions et bien d'autres que nous nous tenterons de répondre avec nos invités présents dans ce studio. Nous sommes avec euh, Abashi Soumana, chef de division contrôle et contentieux au ministère du Commerce. Bonsoir, Monsieur Abashi. Maazou Lawel Bouzou, président de l'ONG, Organisation pour le développement de l'agriculture et l'élevage au Niger. Bonsoir, euh, Monsieur Maazou. Bonsoir, Madame. Et au téléphone, Chombiano Chebou, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Bonsoir Chombiano. Bonsoir. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence donc avec euh, Monsieur euh, Soumana, chef de division contrôle et contentieux au ministère euh, du Commerce. Comment se présente la situation des prix des céréales sur le marché Merci, merci au studio Kalangu de l'opportunité que vous nous offrez de prononcer sur ce sujet. Présentement, la situation, on peut la qualifier de stable, puisque les prix qui étaient très élevé, commence à baisser, ne serait-ce que un peu. Mhm. Et cela s'explique par euh, la stabilisation de la situation. Mhm. Voilà ce que je peux vous dire. Le prix du sac à 2000 est à combien le maïs Par exemple, pour le, le qui mhm. était à 30 000, aujourd'hui, aujourd'hui commence à, à, chuter à 28 000, 29 000. Pour le maïs qui était à 28 000, 29 000 selon la variété, il est présentement à 26 500, 27 500. Pour le riz, il n'y a pas de problème, ça a été toujours stabilisé parce que ces pays qui avaient pris ces mesures-là ne sont pas des pays c'est-à-dire d'importation du riz. Mhm. Donc pour le riz, à de problème, les stabiliser quand même. Il y a pas, la fluctuation là n'est pas, n'est pas concernée. Mhm. Vous avez, voilà un peu ce que je peux dire. Mais ces, dernières euh, semaines, euh, les semaines passées, euh, les prix ont augmenté sur le marché. Sur le marché, c'est principalement le maïs. Mhm. Suite à, à, des mesures qui ont été prises par nos voisins, ces mesures sont ces deux mesures des États souverains qui, suite à des informations des techniciens de leur pays mhm. ont décidé d'arrêter l'hémorragie, d'accord, par la plus grosse artère, c'est-à-dire par via le Niger, par lequel sortent ces produits-là, d'accord, à savoir le, maïs principalement, puisque ils ont justifié cela euh, par le fait que chez eux, il y a une mauvaise récolte mhm. et que du point de vue même de l'organisation mondiale du commerce, ces types de mesures peuvent être classées comme étant des mesures de défense commerciale. Lorsque des événements eh, exceptionnels arrivent dans un pays, il est bien entendu permis à ce que des mesures exceptionnelles soient prises pour euh, pallier à ces, problèmes. Mhm. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Jambiano Chebou, vous êtes le secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Comment donc euh, vous avez accueilli euh, cette décision de nos pays voisins de bloquer donc euh, l'exportation des céréales au Niger Nous, nous avons accueilli cette décision froidement parce que c'est une décision unilatérale. Nous sommes dans un espace l'espace UOMO et CDAO. On prône la libre circulation des personnes et des biens. Si le Bénin doit prendre une décision, mhm. normalement, euh, un bon partenaire ou un bon voisin, on doit peut-être nous accorder un moratoire pour que nous puissions nous faire Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, cette situation, pendant que nous la vivons, le Burkina également, qui avait autorisé l'exportation des céréales avait mis fin à cette autorisation. Donc du coup, le prix de maïs, le sac de maïs est grimpé jusqu'à 32 000. le mille a suivi de 30 à 31 000 francs. Heureusement que de l'autre côté, vers le Mali, l'approvisionnement se faisait aussi difficilement, mais on arrive quand même euh, à, sa s'approvisionner. Et cette décision, normalement, lorsqu'elle elle était tombée, oui. C'était un commerçant, un portateur qui est parti payer du maïs dans, un village qu'on appelle Banikwa. Il a payé sa cargaison à l'entrée de Kandi. Il a été intercepté par la police municipale. Vous savez, c'est la jonction gendarmerie la police qui était la police municipale. Mhm. Maintenant, ils l'ont conduit à Candy et on lui a demandé de payer 2 millions, 10 jours après. Quand il a amené les 2 millions, on dit non, on n'a pas besoin de votre argent pendant que le produit était encore en souffrance. Le camion également, et puis tout ceux qui accompagnaient le camion. Donc cela a duré presque plus d'un mois. Nous, notre euh, syndicat, nous avons écrit à notre ministère de Commerce pour leur euh, relater euh, les faits. On a fait ampliation à la Chambre du commerce et au Clic pour leur dire voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et il y a eu plusieurs camions qui ont été bloqués. Maintenant, les gens d'eux-mêmes, ils ont pu trouver la solution parce que le mhm. ministère n'a pas agi. Donc, pendant ce temps, les commerçants utilisaient le fleuve peut-être à 2h ou 3h du matin pour mhm. sortir un sac à 2000 ou à 3000. C'est ce qui a mené l'enchérissement des mhm. produits. Donc, il est arrivé à un moment où le Bénin refusait même un sachet de gari ou bien une tubercule de, de, Donc, on est resté dans cette situation. La situation, elle est toujours encore euh, euh, là, euh, on a réussi à trouver une solution. Mhm. Mais quelque part aussi, ça doit nous amener à réfléchir, à réfléchir pour faire nous aussi notre production nationale, parce que nous sommes dans l'espace euh, de l'ECAF, où nous aussi, on doit faire la promotion de nos produits, oui. que nous puissions aussi profiter, vendre de l'autre côté. Mais si à chaque fois nous dépendons de, l'importation et je pense que le pays va en partir. Mhm. Parce qu'il y aura des fuites de capitaux et ainsi de suite. Mais pour le moment, pour la production, ce n'est pas du tout euh, pas facile. Il faudrait que des dispositions soient prises parce qu'il faut d'abord trouver l'espace cultivable, les entrants agricoles et beaucoup qui peuvent accompagner les producteurs. Maaz Bouzou, président ONG Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage au Niger. À votre niveau, comment vous avez accueilli donc euh, la décision du blocage de l'exportation des céréales de nos pays voisins Merci à la radio et la télévision. Euh, euh, vous savez, comme il vient de le dire, c'est regrettable. Nous, on est des producteurs ruraux. Mhm. Nous intervenons, nous avons des terres cultivables que nous les avions mises en valeur. Mhm. Donc, c'est-à-dire, il faut une politique agraire, une politique de développement pour ces pays. Mhm. Comme vous avez dit, comment nous apprécions ça C'est avec regret, parce que nous, nous sommes contre l'importation. Comme tout à l'heure, euh, vers la fin de son intervention, il vient de le confirmer, qu'il faut intensifier la production. Et si l'État, par exemple, euh, l'ONAHA, l'Office national des aménagements hydroagricoles, agricoles s'investissent, n'est-ce pas, dans euh, l'aménagement des grandes superficies, parce que ce qui est très important, mhm. nous avons des eaux souterraines, nous avons une technologie que notre ONG a mise en place mhm. depuis 2010, mais mhm. quand même, euh, la mise effective a été faite en 2016. Mhm. il s'agit d'exorer les eaux souterraines avec stations de pompage solaire photovoltaïque. Mhm. C'est ce qui nous a conduit à faire beaucoup de jardins potagers équipés de stations de pompage solaire dans différentes régions, à savoir la euh, région de Tilaberi, presque euh, tous les chefs-lieux de canton ou bien tous les départements sont concernés par nos activités. Vous prenez la région de Dosso, Tawa, Maradi, Zender, et la région d'Agadez, puisque c'est Difa et Niamey qui ne sont pas concernés. Difa, c'est à cause de l'insécurité. Mhm. Et ici, comme vous savez, il n'y a pas assez de terres cultivables que l'État nous a concédées. Donc, euh, on a ces problèmes. D'un autre côté, comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'ONAHA, mhm. l'Office national des aménagements. Elle travaille pour le compte de l'État. Mhm. Donc, c'est elle qui est chargée de façon administrative à faire des aménagements hydro-agricoles et les gérer. Mhm. Elle gère les aménagements hydro-agricoles pour le compte de l'État. Donc, euh, c'est elle qui fait tous les aménagements, n'est-ce pas Nous avons des terres cultivables. Tout à l'heure, je vous parlais. Nous avons 15 millions d'hectares de terres agricoles. Mais malheureusement, c'est moins de 6 millions qui sont mise en valeur. Mhm. Si on veut développer les pays, mhm. nous avons plusieurs régions, nous avons plusieurs départements et dans ces localités, ce sont des localités, n'est-ce pas, pour produire des mhm. productions. Il faut intensifier les cultures maraîchères. Par exemple, tout ce que nous importons, par exemple, euh, tout à l'heure vous avez parlé du maïs, l'importation, c'est parce qu'il y a eu un problème que les gens euh, se sont mis à grimper les prix ou bien c'est parce qu'il y a ces manques. Mais tout de même, pourquoi ne pas produire puisque partout nous avons des terres cultivables qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir des rendements productifs. Je reviens vers Abarchi Soumana, chef de division contrôle et contentieux du ministère du Commerce. Est-ce qu'il y a eu des échanges en amont avec les autorités de ces deux pays par rapport à cette décision Et de tout le temps, lorsque ce genre de problème se pose, d'accord, c'est une mission de haut niveau. D'abord au niveau bilatéral, j'ai fait allusion aux différents problèmes que nous avons eu avec euh, la fermeture des frontières. De tout le temps, c'est une mission de haut niveau qui part rencontrer l'autorité concernée pour quand même débattre et de trouver une solution à, ces problèmes. Et les autorités du ministère du Commerce sont là-dessus. Euh, ils sont très préoccupés quand même par euh, cette situation. Et tout de même, ce que je voulais dire à ce niveau, Présentement, la situation, je dis quand même, elle est en train de stabiliser, de se stabiliser d'elle-même, dans la mesure où vous venez, déjà sur le, sur le marché, nous avons nos propres produits qui sont là, mhm. c'est-à-dire c'est la, la période de récolte. Et cela s'explique par la baisse quand même sensible des, des prix que nous sommes en train d'observer sur le terrain. Mhm. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment donc le Niger importe-t-il euh, ses produits alimentaires Bon, de tout le temps, tout, la, majorité, c'est par voie terrestre. D'accord C'est par voie terrestre. Du fait de la, de la position du Niger, vous voyez, nous sommes vraiment très désavantagés. C'est la distance surtout, surtout c'est que euh, les produits qui nous viennent hors zone d'Afrique. Mhm. D'accord, il faut passer, aller au port et puis ensuite faire. Euh, donc c'est par voie terrestre mhm. que ces produits alimentaires-là sont, en tout cas la grande majorité. Je continue donc avec Abarchi. En Afrique de l'Ouest, le Niger est le pays qui importe le plus. Est-ce une avancée ou un recul qui ne dit pas son nom euh, C'est pas de guetter de cœur. Hein. Mhm. C'est que nous sommes très euh, désavantagés. Et, mais quand même, les Nigériens, si vous avez suivi les propos du représentant, j'allais dire, de ces importateurs-là, on peut dire que L'espoir est né parce que eux, à leur niveau, eux-mêmes, ils ont compris que maintenant, que de continuer à importer, il vaut mieux qu'ils se consacrent à l'interne pour voir eh, comment nous pouvons produire, ne serait-ce que pour prendre en charge notre propre alimentation. Mm-hmm. D'accord, je crois que c'est un bon signe. Ma Wali, président de l'ONG Ordain, mhm, je disais tout à l'heure euh, qu'en Afrique de l'Ouest, euh, le Niger est le pays qui importe le plus euh, de céréales. Est-ce une avancée ou un recul Très sincèrement, je dis que c'est un recul du moment où il faut voir les milliards qu'on injecte pour importer c'est milliers de tonnes. Prenez le cas du riz. En 2017-2018, mhm. lors du conseil des ministres, quoi, donc euh, sur euh, l'initiative 3N, ils ont parlé de 225 milliards injectés seulement pour l'importation du riz. Mhm. Vous voyez, donc, et les autres céréales combien de milliards on a. Donc là, on ne sait pas. Ça, c'est le riz seulement, 225 milliards pendant l'année. Donc, euh, vraiment, je vous dis que si, comme vient de dire euh, M. Chombiano, si on arrive à aménager des grandes superficies et que, qu'on fasse un partenariat public-privé qui va permettre, n'est-ce pas, euh, à ces gens-là de produire, commercialiser. C'est une très bonne chose si, par exemple, le ministère du Commerce peut euh, les guider, les orienter pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des points de d'écoulement. Vous savez, même les marchés agricoles, il faut les organiser. Il y a une organisation qu'on doit faire, n'est-ce pas, qui va, puisque nous sommes des commerçants, on dit commerçants, mais quand même, il y a des formalités légales que nous devons euh, tenir compte pour que les choses puissent euh, faire dans la norme. Monsieur Cambiano, en Afrique de l'Ouest, le Niger est le pays qui importe le plus. Est-ce une avancée ou un recul qui ne dit pas son nom Non, un pays qui importe est un pays qui recule. Maintenant, c'est la politique qui manque pour encadrer. La politique est là, mhm. mais l'application pose problème. Parce que euh, vous voyez, au point de vue production, nous pouvons, avec, euh, il y a la technicité, il y a les bras valides, nous pouvons réussir, on a le fleuve. Mais il y a la paresse. Il y a la paresse et l'État n'encourage pas les gens euh, euh, à le faire. Il y a des institutions qui ont été mises en place à propos. Malheureusement, euh, vous voyez, le président de la République, Issoufou, disait qu'il devrait y avoir importation zéro d'ici 2021-2022. Mais aujourd'hui, le mécanisme n'est pas mis en place pour répondre, je peux dire, à ce slogan, parce que c'est un slogan maintenant. Donc maintenant, ce qu'il faut, nous, nous savons que par rapport au riz, euh, le Niger est arrivé comme dans l'espace ue à, mettre en place euh, l'ITEP. L'ITEP, c'est l'interprofession de la filière riz, mhm. par exemple. Il y a aussi quatre filières. Donc, il a réuni à son sein des producteurs, des transformateurs, des commerçants. Donc, ce, ce groupe doit s'entendre pour faire booster la production nationale. Quand je disais les espaces cultivables, les espaces cultivables euh, ne sont pas disponibles, c'est toute une réalité. C'est la vétusté le long du fleuve, là. C'est depuis leur grand-père qu'ils sont en train de faire le riz. Et souvent, euh, les intrants, quand on prend l'engrais, par exemple, l'engrais est très cher. Si le sac va jusqu'à 20 000, mais comment euh, le producteur va vendre son sac à un coût dérisoire C'est pas possible. Mhm. Parce que tout ce qui viennent s'ajouter par rapport à la production doit être répercuté sur le prix. Aujourd'hui, quand ils amènent aussi leur sac au niveau du RIMI qui doit transformer, et le RIMI doit les payer. Aujourd'hui, le RINI n'a pas de moyens de rembourser ou de payer ses producteurs. C'est ce qui amenait souvent les gens du Nigeria à rentrer jusqu'à Ayoro pour payer le RIPADI. Ils le RIPADI, il est les même si ne sont pas ils peuvent les payer euh, sur place. Mhm. Par contre, avec euh, le ce n'était pas le cas. C'est pourquoi tout ce que le est en train de transformer, peut-être que ça ne dépasse pas 20% de la production. Parce que les gens refusent d'amener vers les coopératives, vers le RINI. Parce que tout de suite, ils ne sont pas désintéressés. Il y a le laxisme euh, dans le mécanisme. Et deuxièmement, ce qu'il faut, tous les ingénieurs euh, agricoles et autres là peuvent se réunir pour trouver une étude par rapport euh, à, la situation. Même pas seulement pour le riz, mais pour le maïs, pour le manioc et bien d'autres produits euh, maraîchers. Malheureusement, si c'est la tomate, souvent ça nous vient du Burkina ou du Nigeria. Mhm. la pomme de terre, souvent ça nous vient du Maroc parce que ça vient au Burkina et puis ça vient au, au Niger donc ainsi de suite. Vraiment, il faut avoir une politique d'encouragement de la production eh, nationale. nationale. là, dans les CAF, là, nous, on est rentré dans les c'est pour faire quoi Même notre oignon, il y a eu un moment où c'est le Sénégal qui pense que Galmi, c'est une ville du Sénégal et que le Nordal est sénégalais, le, ga, euh, Le eh, Ça veut dire que nous ne sommes pas, ou ceux qui doivent défendre ne le font pas, ceux qui doivent qui doit se dire ne se dit pas, ce mhm. qui doit se faire ne se fait pas. Donc, euh, vraiment, par rapport à votre question, moi, j'ai mis euh, un recul. C'est mhm. même un recul. Il faudrait qu'on commence à penser à promouvoir l'agriculture dans mhm. tous les sens. Sinon, nous ne pouvons pas. Si maintenant, il n'y a que le maïs au Burkina et au, Bénin, Et et que coupez le robinet, comment on va faire Même si tu trouves le sac à 50 000 à 60 000, tu vas le payer. Parce qu'il n'y en a pas. Si maintenant la Thaïlande nous refuse l'exportation, même si le sac est à 40 ou 50 000, tu peux le payer. Parce que la production nationale du riz, par exemple, était estimée à 172, 000 euh, tonnes. Pendant que le besoin statistique qui a été chiffré était de 426 000 tonnes. Donc il y a du riz importé de 420. Donc il y a un gap à combler. Mhm. pour combler ce gap, il faut faire une production. Et ce statistiquement là, peut-être qu'en réalité sur le terrain, quand vous prenez les statistiques ça peut faire un million et quelques de tonnes qui sont manifestées sur le Niger. Ça veut dire que nous consommons beaucoup, mais la production nationale n'arrive pas à combler. Donc il faut vraiment une politique de production. Alors, M. de, la même, manière qu'on a mis euh, les moyens pour, l'armée pour défendre, euh, il faut aussi mettre les moyens pour faire la production. Il ne faut pas qu'on dépende chaque fois de l'extérieur. Parce qu'on sait que dans les années où il n'y avait pas beaucoup de trucs là, les importateurs ont été dirigés à l'extérieur. Parce qu'un bureau, vous faites le transfert euh, d'argent, un mois après, le bureau disparaît vous n'avez ni votre argent, ni le truc. C'est là que les, les, euh, la technicité a beaucoup avancé, tu ne peux pas échapper. Oui, Kambiano, alors euh, quels sont les impacts directs de cette situation sur l'économie euh, nationale eh, Les impacts directs d'abord, c'est pour le consommateur. Le consommateur qui a l'habitude de payer son sac à 17 500, 000 et qui le voit à 31, 32, ça, euh, euh, il, ne peut être un demi-sac. Sa famille a des difficultés pour manger le maïs parce qu'il n'y en a pas suffisamment. c'est cette situation-là qu'il faut éviter. Et deuxièmement, ça va faire une fuite de capitaux parce que les gens vont amener l'argent à l'extérieur. C'est de l'extérieur qui vont vouloir amener le produit. Maintenant, c'est qui ont les difficultés au niveau euh, du corridor du Bénin, D'autres ne sont plus retournés parce qu'il y a le risque et d'autres aussi veulent changer d'activité. Donc, euh, du coup, euh, ils ne pourront pas procéder. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Nous sommes dans l'ECAF. Il faut produire pour. Parce que quest ce qu'il y a, c'est le. Nos, produits, c'est l'oignon, mhm. c'est le fichier Le reste, l'uranium et autres, là, c'est pour l'État. Mhm. Mais nous autres, pour l'oignon même, il y a un problème de stockage. Au-delà d'un certain temps, ça pourrit. Donc, il faut trouver euh, vraiment des magasins dédiés, dédiés à ça. pour le sujet, ce n'est pas tout le temps. Parce y a encore d'autres produits que nous ne mhm. pourrions pas exporter. nous ne pas, même nous. Euh, c'est pourquoi même euh, on est en train de prôner pour l'industrialisation. C'est une très bonne chose. Mais si entre nous-mêmes, il y a des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires ou des obstacles au commerce, c'est des problèmes. les statistiques de la Banque mondiale ont dit que entre nous-mêmes, on fait le commerce qu'à 11% que les États-Unis font 46% entre eux. Quand vous prenez même un produit laitier, avant d'intégrer le Burkina, là, vous allez avoir des problèmes. Et si vous rentrez, vous ne retournerez plus. Monsieur Abarchi, quelles sont les dispositions prises par l'État pour pallier à cette situation Oui, bon, vous savez, de tout le temps, hein, les mécanismes d'accompagnement mhm. ont toujours existé. Mhm. D'accord tout à l'heure, j'ai suivi le représentant de l'ONG parler d'accompagnement du ministère du Commerce. Mhm. Oui, il n'a jamais failli quand même euh, pour les commerçants. Tout le temps quand même les efforts qui sont en train d'être faits par l'État mhm. dans le cadre d'accompagnement des structures, plusieurs organisations, qu'elles soient féminines ou des femmes commerçantes mhm. ou tout ça là, pour quand même euh, euh, amener les gens à bien prospérer dans le cadre du commerce. Aujourd'hui, le ministère du Commerce est en train d'initier aujourd'hui la catégorisation des marchés pour que qu'on sache si on est à tel milieu ou à quel type de marché on, on est. C'est pour vous dire que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, mhm. sont, ont été faits et aussi continuent à être faits par, par l'État. Aujourd'hui, l'État du Niger est conscient de son rôle que, d'abord, en tant que leader de la ZLECAF, que nous devons aussi par nous-mêmes produire pour être compétitifs. Mhm. Sinon, tous les autres vont nous inonder mhm. par leurs produits. Voilà un peu ça là, en tout cas, l'État est en train de faire mhm. beaucoup beaucoup. Maaz Lawali, président ONG Ordain. que fait donc euh, votre euh, structure pour atténuer ce manque de céréales sur le marché Bon, présentement, euh, nous comptons lancer pour les cultures maraîchères parce que vous savez, euh, les cultures irriguées, c'est après la fin des travaux champêtres. Mhm. Donc, euh, d'ici le mois prochain, nous allons démarrer, puisque mhm. c'est en novembre, vers la fin du mois de novembre, que nous lançons les activités des cultures maraîchères, mhm. c'est-à-dire salade, pommes de terre, choux, manioc, concombre, aubergine carottes, euh, maïs, blé, tout ça là nous faisons, et euh, oignons aussi. Mhm. Donc nous, euh, avec poivron, nous faisons ça dans les différentes localités, comme je vous ai dit cela, là, mhm. dans les six régions, ça veut dire la région de Tilaberi, Dosso, Tawa, Maradi, Zender et la région d'Agadez. Et chaque fois, en février, nous montrons ces productions parce que nous faisons euh, des circuits d'approvisionnement, c'est-à-dire nous faisons des, des, ventes à prix modéré, comme on dit. Nous, donc, euh, nous exposons, par exemple, pour la région d'Agadez, c'est devant le sultanat que nous faisons ces, ventes euh, de produits maraîchers. Mhm. Chaque euh, février, mois de février, l'année dernière, nous l'avions fait le, le, 19, le, le, 19 et le 20 février mhm. devant le sultanat. Mhm. Donc cette année aussi, on compte faire puisqu'on n'a pas fixé des dates. Mais quand même, partout, dans toutes les régions, tous les départements, tous les cantons, nous entreprenons ces activités. Il faut nécessairement que l'État s'investisse parce que vous savez, comme je vous ai dit, nous avons des centres de recherche, nous avons nos terres agricoles. Maintenant, toute ONG d'intervention en milieu rural, elle doit, n'est-ce pas, mettre ces terres-là en valeur parce que le manque de travaux, là, ça ne peut pas nous donner des rendements. Mais si nous intensifions les productions, au lieu qu'on importe, donc, c'est qu'on doit, les quantités que nous importons, on doit amondrir euh, ça. On doit, euh, par exemple, si c'est 100 tonnes qu'on importait, on doit importer, par exemple, 40 à 30 tonnes. Monsieur Chambiano, que fait donc euh, votre syndicat pour atténuer ce manque de céréales sur nos marchés Nous sommes en train, comme je l'ai dit au début, oui. mais les prix sont en train de se, de se baisser d'eux-mêmes parce que au stade de de moisson, le, mille, et beaucoup, beaucoup de céréales. Mhm. Et nous avons pu avoir euh, une partie, comme je l'ai dit au début, du mhm. Mali qui nous ravitaillait. Donc, euh, c'est la seule alternative qui nous est offerte. Ça, euh, c'est Dieu par rapport à la mousson. Et puis, de l'autre côté, c'est la relation. Et le gouvernement euh, doit prendre euh, les dispositions. C'est tout le ministère du Commerce. L'approvisionnement du pays est à la charge du ministère du Commerce. Donc il doit réunir tout ce qu'il faut pour qu'il y ait euh, l'approvisionnement. Mhm. Si il S'il y a des difficultés d'approvisionnement, qu'il essaie de se rencontrer avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des finances et autres pour que nous produire suffisamment. Parce que quelqu'un qui a faim, il ne peut pas réfléchir on ne peut pas réfléchir. Bien sûr. Euh, si on nous coupe le robinet, il faudrait que nous puissions euh, avoir les moyens de se nourrir. Et ça, c'est la production nationale qu'il faut. C'est ça qu'il faut véritablement. Euh, vous savez ce que peut-être l'État oublie oui. L'État veut l'importation parce que c'est des pourvoyeurs de recettes au niveau des impôts, au niveau de, de la douane. Mais en faisant la production, l'État peut récupérer tout ça là sur la TVA, qui va être beaucoup plus rentable. Et les gens vont beaucoup investir dans le pays. Parce que l'argent ne sort pas. Tu es obligé d'investir dans le pays. Et tant que l'argent sort là, même les emprunts que les gens font, c'est pour aller acheter à l'extérieur. Et là, c'est pas, là, c'est pas bon. Et vous voyez, même le taux, taux, le taux d'emprunt. C'est pourquoi on a toujours dit que l'État doit avoir une banque nationale qui doit aider les gens. Les banques qui sont là sur place, ils ont des taux d'intérêt très élevés. Si vous voulez emprunter un milliard avec un taux d'intérêt de 12%, ça c'est peut-être le minimum, pendant 5 ans, vous allez rembourser 600 millions de plus. Quelle activité vous allez mener au bout de 5 ans pour avoir 600 millions Quelqu'un qui emprunte un milliard. Donc vous voyez le taux, le taux d'intérêt est très élevé. Mhm. Donc il faut trouver, quand vous prenez, on a reçu le député euh, français là, à la Chambre du commerce qui disait, là-bas on parle de 0,1, 0,2, 1%, 2%, 3%. Je lui ai posé la question. Ils disent qu'ils n'ont pas d'impact sur ces banques-là. Mais chez eux, c'est comme ça. Donc, euh, cette difficulté va avoir des impacts sur le produit. Et vous voyez, ceux qui sont si vous prenez par exemple la Thaïlande, ou ceux qui, ou on importe le riz par exemple, il y a ce qu'on appelle un dumping. Le dumping, c'est pour un pour décourager la production de nous autres pays africains. Mm-hmm. Le riz qui se vend dans la ville, par exemple, de Thaïlande mm-hmm. ou dans le pays de Thaïlande, aujourd'hui, ce riz-là, il est plus cher que le riz qui est exporté. En fait, c'est pour nous empêcher de produire. Mhm. Ça, c'est un système qu'ils ont instauré, un dumping qu'ils sont en train de faire. Or, vous savez que le dumping, l'entente, sont des principes qui sont bannis, qui sont bannis euh, dans le cadre euh, du commerce. Mais ils le font, c'est pour nous empêcher de produire. Il faudrait que qu'il y ait une conscientisation de la, de la chose. Sinon, nous ne pourrions jamais produire. Vous voyez, par exemple, dès qu'il y a un changement au niveau de, à la tête du Sénégal, vous allez voir cette parce que c'est le riz brisure que les Sénégalais consomment beaucoup. Il y a le président qui va se déplacer ou le ministre du Commerce pour venir faire des propositions et même faire des dons de trucs-là, de riz brisure, pour amener les gens à consommer. Voilà, M. Chambiano, le, le, représentant du ministère du Commerce est là. S'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous venez donc euh, de dire. Voilà, euh, merci. merci oui, rapidement. Donc, mhm. par rapport à ce que fait le ministère du Commerce, effectivement, pour, euh, sur la question de la disponibilité du mhm. des céréales sur le marché, effectivement, au niveau du ministère du Commerce, tous les mois, une situation de stock commerçant est établie. Mhm. D'accord euh, sur la base de laquelle, dis j'allais dire, euh, qu'on alerte les autorités si véritablement il y a un problème de stock. Mhm. Vous comprenez bien. C'est-à-dire si euh, le stock atteint un seuil critique, alors là, on, on informe qui des droits pour prendre des mesures, puisque le ministère a en charge l'approvisionnement marchés. Voilà un peu ce que je dire par Donc, c'est des situations qui sont tout le temps, qui sont mhm. régulières, qui sont établies au niveau d'abord euh, de toutes les régions et qui mhm. sont centralisées. D'accord Elles sont remontées et, sont traitées à ce, à niveau. Maintenant, par rapport à l'importation, j'allais dire, des produits, l'État a plus intérêt lorsque on, crée, d'accord, mhm. de la recherche chez soi, puisque d'abord, ça a plusieurs avantages la résorption du chômage, mhm. donc par, qui a la conséquence directe de la stabilité et la paix. Et aussi, lorsque vous allez créer de la richesse à votre, au sein. Donc, moi, de mon point de vue, l'État a beaucoup plus d'avantages lorsque on produit chez mhm. soi. Voilà, mm-hmm. que de vouloir, <laughs> eh, vouloir importer, ou bien mm-hmm. viser eh, les, frais d'importation, eh, la, fiscalité au niveau de... Ce n'est mm-hmm. pas, je ne crois pas que c'est celle Malheureusement, bon, c'est ce que les gens pensent, d'accord Mais l'État a plus à gagner lorsqu'on va créer les conditions de production nationale. Aujourd'hui, c'est quoi oh, il y, a, le consommant local aujourd'hui, d'accord D'accord, qui est là, qui est en train de se faire tous les ans, d'accord Qui est sous la, la responsabilité du ministère du Commerce, on appelle euh, les gens à produire localement, à consommer eux ce que, de, consommer et ce, qui est importé. C'est ça, aujourd'hui la politique qui est en train de, la dynamique au niveau du ministère du Commerce. Voilà ce que je, voulais vous dire. Oui, monsieur Abarchi, est-ce que cette situation des autorités burkinabées et béninoises euh, va-t-elle euh, durer Vous savez, je vous dire, c'est une situation, comment, c'est un épiphénomène. Mhm qui est arrivé et qui va s'estomper de lui-même. Pourquoi mhm. Aujourd'hui, euh, elle, va s'éclaircir d'elle-même. Parce que euh, nous sommes dans une phase de, de moisson, comme l'a dit le, mhm. représentant des commerçants, mhm. d'accord, là veut dire qu'il y a la disponibilité. Eux, en ce moment, ils sont même, vous allez voir dans un peu de temps, vont, ils vont chercher à nous, d'eux-mêmes à amener le produit sur, le marché nigérien. Parce que eh, ils auront besoin quand même d'exporter, de, d'exporter, mhm. d'écouler leur production, sinon elle va, elle va, elle va, Voilà, c'est vraiment, je considère que c'est un épiphénomène qui est arrivé, une situation exceptionnelle et donc des mesures expérimentales ont été prises pour un peu pallier euh, à, ce, problème à leur niveau. Voilà un peu ce que j'allais dire. Donc, euh, pour le moment, la situation. Pour le moment, la situation, elle est, stable. Hein. Elle est, j'allais dire, sur le, y a la disponibilité. en Au fait, le plus important qu'il faut comprendre aujourd'hui, il y a la disponibilité de vivre. C'est ça le plus important. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, les céréales sont, disponibles sur le marché. Voilà la, ce que je voulais quand même souligner. Oui, Tombiano. Oui, j'ai dit la disponibilité, c'est comment Puisqu'il dit que c'est. Aujourd'hui, le, le, eh, le, le, sac de maïs, il est à combien Parce qu'il parle de disponibilité. À, 20, à 26 000, 27 000. le, non, c'est, je vous, vous c'est un prix actuel. C'est aujourd'hui, c'est, le prix de la journée. Non, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le jour, d'accord, c'est-à-dire c'est, Non, hein? attends, mhm. le 1000 est à 27 000 mhm. aujourd'hui. Mm ça, c'est Sim qui l'a dit. Mais mhm. ça, c'est pas de jetons de cœur qu'on l'achète comme ça. Mhm. Le mil était à combien Le maïs était à combien Oui, c'est ce que je dis. C'est que je disais. Uh-huh. Euh, il y a une rareté. Quand on dit qu'il y a le stock physique qui est là, ça doit pouvoir radicaliser. Euh, euh, tout le Niger. Mhm. Mais souvent, même ce que vous, vous faites, c'est une bonne chose pour la population, mais vous êtes des concurrents directs aux, commerçants. Parce que quand le sac, quelqu'un l'achète à 22 000 ou à 23 000 ou à 24 000, ou voire même 25 000, et que vous, vous venez vous casser, vous vendez à, 18 000 ou à 29 000, lui ne pourra pas vendre. C'est vrai, heureusement que ce n'est pas sur toute la période. Uh-huh. Euh, ah, de bien, Sinon, les commerçants eh, n'allaient pas mener leurs activités. Ah, Parce que vous n'allez pas vendre à perte. Uh-huh. Donc souvent, vous êtes des concurrents directs euh, pour les commerçants. Bien, pour <laughs> faire pour faire des trucs. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que nous on veut. Ce produit que l'autre vient distribuer là, souvent c'est des produits qui nous viennent de l'extérieur. C'est pourquoi on dit qu'il faut promouvoir. Moi, quand j'ai dit l'État peut se retrouver dans la TVA, mhm. mais l'État se retrouve actuellement par rapport aux impôts et par rapport à la douane. Ça, c'est une réalité. Quand vous amenez une marchandise, vous allez payer des droits de douane. À la fin, vous allez dresser un bilan. À la fin de l'année, vous allez verser de l'argent au trésor. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, l'État peut voir. Mhm. Ce n'est pas seulement la création d'emplois, ceux qui font le truc là. Consommons Niger, euh, ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut faire des grandes envergures. Ce n'est pas seulement à des foires qu'il faut mettre pour, pour consommer Là, nous sommes presque à la fin hein, de cette émission. C'est juste des actions sociales. C'est lorsqu'il y a des difficultés, d'accord, que l'État intervient. Ce n'est pas, euh, je suis pas du tout d'avis que ça soit une concurrence, d'accord. Donc, Monsieur Chandano, bonjour. <laughs> bonjour. Faut que vous compreniez ça comme ça. Bien, bien, merci quand même. C'est bien. Vraiment, nous sommes très optimistes par rapport à à la prise de position des, des, représentants de commerçants parce que le plus important à ce niveau, c'est de. Parce que eux ils ont, ils ont décidé d'accompagner ou bien de créer, de faire la production au Niger, c'est une très bonne chose. Je vous remercie. D'accord, merci. Merci c'est vraiment. Ça a été un plaisir quand même de, de partager, de faire ce débat avec vous. Donc, merci, madame. Nous sommes au terme du forum de ce jour euh, qui porte sur le blocage de l'importation des céréales de certains pays voisins vers le Niger. Quelle explication et quel impact sur la consommation locale Vous avez suivi l'intervention de nos invités sur le sujet. Les invités qui demandent à l'État de prendre des mesures conséquentes d'accompagnement et de soutien aux agriculteurs et aux acteurs intervenants dans le domaine de l'agriculture afin que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité au Niger et aussi pour que si des situations pareilles se présentent, que les populations ne souffrent pas dans leur chair. Nous étions en compagnie de Maazou Lawali Bouzou, président de l'ONG Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage au Niger ordain. Abashi Soumana, chef de division contrôle et contentieux au ministère du Commerce. Et Chambiano Chebou, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Chebou Chambiano qui a participé dans ce forum en ligne. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation Issa Lawali et la technique Mustafa Ayouba. Merci, euh, au revoir. Le programme continue sur le studio Calombo.